Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 29 avril 2024. Thème Un choix critique. Un choix critique. Thèse de lecture se trouve dans Esaïe chapitre 3. Esaïe 3, le verset 1 à 12. Le Seigneur éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource toute ressource de pain et de toute ressource d'eau. Les héros, le, héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le divin et l'ancien. Le chef des cinquante et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Ils auront réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le veillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sur notre chef, Pain, ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, ils répondront, je ne saurais être un médecin, et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Judas se croule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre éternel, bravant le regard de sa majesté. Verset 9 euh, dit L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et comme ce dont ils publient leurs crimes, sans dissimuler malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que les justes prospéreront, euh, les, les justes prospéreront prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur aux méchants il sera dans leur fortune, car il recueillera le produit de ses mains. Verset 12. Mon peuple, c'est le verset clé. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes domine lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Donc le verset clé, c'est le verset à partir du verset 10, 10 eh, et 11. 10 11 qui dit Dites que le juste prospérera, car il jouira des fruits de ses œuvres. Et le verset 11 dit Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Amen. Un sceptique religieux a un jour demandé au réformateur allemand Martin Luther. Pourquoi Dieu avait créé l'homme alors qu'il savait qu'il pécherait Luther figure un emblématique de la réforme protestante lui a répondu Gardons-nous de ces questions abstraites et considérons la volonté de Dieu telle qu'il nous a été révélée. En tant que prêtre érudit, Luther savait que Dieu ne voulait pas qu'un seul périsse. Il comprenait également le désir de Dieu que l'homme choisisse le bien plutôt que le mal. Dès le début, Dieu a donné à l'homme la possibilité et le, libre choix. Tout-Puissant n'a pas créé l'homme comme un euh, mannequin sur lequel on se décharge sans aucune responsabilité ni possibilité. La proposition de Dieu depuis la création de la terre montre qu'il veut que l'homme lui obéisse librement, sans contrainte. Il récompense cette obéissance volontaire et punit la désobéissance comme on le voit dans le jardin d'Éden. Notre test fait la chronique des attentes de Dieu et de l'échec lamentable de l'homme au fil des ans. Réfléchissons à ceci. Selon Esaïe chapitre 3, le verset 2 à 3. Le puissant l'homme, le puissant, l'homme de guerre, le juge, le prophète, le prudent, l'ancien, le chef des cinquante, l'homme d'honneur, le conseiller, le savant habile, et l'orateur éloquent. Tout croit avoir obtenu des privilèges grâce à leur pouvoir. Ils oublient que c'est Dieu notre Créateur, qui nous enseigne plus que les bêtes et la terre, qui nous rend plus sages que les oiseaux du ciel. Comme un temps de, comme au temps il en est de même aujourd'hui. Les hommes courent toujours auprès des vanités de la vie, alors que leur vie est éphémère. On ne peut se moquer de Dieu qui nous donne la, le pouvoir de nous enrichir, selon Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Il récompense avec l'égence les obéissances par les bénédictions et les égarer par une juste rétribution pour leurs péchés. Dieu est toujours juste envers tous. Si vous faites ce qui est juste, tout ira bien pour vous. Pour ceux qui choisissent de faire le mal, Dieu ne permettra eh, jamais aux injustes de se libérer. Le seul moyen de s'en sortir est de se faire et de se repentir de ses péchés et d'abandonner toutes ses mauvaises voies et de faire de Jésus son Seigneur et son Sauveur. Encore une fois, c'est à vous de choisir J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Selon Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Nous allons choisir la vie pour vivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Pensez du jour. Dieu est toujours juste envers tous. Dieu est toujours juste envers tous. Il récompense ce qui est bien et punit ce qui est mal. Dieu est toujours juste envers tous. Il récompense ce qui est bien et punit ce qui est mal. Amen. La Bible en un an. 1 Samuel chapitre 6 et 7. 1 Samuel chapitre 6 et 7.